2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de fonds CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. Euh, d'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. Deux ans dans le passé, dire de faire à la LONAS en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement à, au euh, programme du président Macky Sall sur le programme euh, Dawi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place euh, permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeu qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comment de dépôt, comment en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, Uberbet, Sudubet et euh, BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la reste dans cette les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONAS. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la Lonaze a payé, a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la Lonaze pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation Lonaze. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise dal leen ak round de l'actualité fii ci Diaspora bi TV tey nag dañuy ñëwaat ci conseil supérieur de la magistrature ak Ousmane Diagne bi ñu jëlee parquet général yóbbu ko cour suprême gannaaw boobu ñu waxtaanee ak politique ak Jéggi Diop Fall bu APR moom nag nee Ousmane Sonko mënoon nañu ko faagaagal ci corniche bi bu takk der yi taxawul woon. ba tey ci politique yeewi askan wi dañoo bëggoon def tàggaayu ñaxtu waaye mujjul antu mujje nañoo janoo ak taskatu xibaar yi Macky Sall ab dictateur la loolu lañ fa xamle bu ñu jógee ci politique ñu wax ci société ak trois militaires sénégalais yu faatu ca Mali raw nëb bi nag dañ koy jeexale ak Mia Guissé waykat bi tàggoo woon ak jëkkëram ba woon dellu ci expliquer li mu doon dundu si lu metti ci néegu seyam lii moo gënoon fës nestuut ñu yaatalal leen ko ni ñu koy faral di defee ay bis yu nekk tey dañuy tàmbali raw na bi ak li xew ci justice bi dara ump leen ci changement yi am ci magistrature bi waaye dafa am ci lu ñu war a taxaw seetlu kii nekkoon procureur près de la cour d'appel de Dakar dafa laajoon waa DIC pour ñu enquête ci tuuma yi Ousmane Sonko tegoon ci maître Sow Sonko dafa joxoñoon baaraamu tuuma kii di maître Sow pour complot est-ce que loolu taxul kii di Ousmane Diagne ñu remplacer ko ak Ibra Bakhoum ñi fare ci waa opposition bi ñoom loolu lañu jàpp ndax nee nañu depuis ba mbir mi tàmbalee léegi gulet justice bi def liggéeyam lolu motax qui di Ousmane Diagne ñu changé ko légui procureur Ibrahima Barou mo yor dossier bi ñu xaar ba xam fu enquête bi di mujjé ci politique nag lañuy jall japp bi tak der yi Ousmane Sonko toj vitre auto mo ngi wéy di jaxassé homme politique yi ki di djéggi job Fall mi nek APR mom dafa gis lolu dara waraluko Dudul bëgg sauver Ousmane Sonko mom mi directrice de la procréation des droits des enfants ca ministère de la justice nena lolu da fay wane ni police dafa tëddee njaaxaanaay ndax amana suñu bàyyi Sonko mënon nañu ko fagaagal wala ñu blessé ko ki di Djiby Diop Fall da fa faté addu ci conférence de presse bi ñu bañal Sonko té nanguloon ko Mame Mbaye ci si procès Ousmane Sonko ak le 16 mars bi la wara am batay ci politique Mamadou Ibra mom da fa fas samp si présidentiel 2024 yi taskatu xibar bi nak xamle nako sam samedi kii di njiital groupe e moom daal dafa bëgg wutu Macky Sall ci bopp réew mi ak mouvement bi ñuy woowee demain commence maintenant ñetti at kenn dégg ko sa Seck démb ma nga woon ci séminaire bu réew mi partem doon organisé moom nag xam la na ni boo nekkee njiit dangay nangoo déglu Idi nee na ci ñetti at yi loolu la doon def kii di njiital conseil économique sociale ak environnemental neena réew mi du parti bu paan nee na bu wax ak wane boppam jote dina ko def moom tamit sànneeti na cax ci coowal troisième mandat bi nee na loolu moo taxoon mu bàyyi wàdd ndax loolu mooy nar a tax mu mag yi laaj baa ngi noonu. ba tey ci politique député Yewwi Askan Wi yi nga xam ne dañoo taxawoon ca buntu assemblée nationale daal di woon fa taxaw ngir wax li leen naqari mayuñu leen ko ñoom nag dañoo mujjee daal di woo ñii di taskatu xibaar yi ngir xamale leen fa li leen metti ñoom daal daal nañ fay xamle ni kii di Macky nag ab dictateur rek la xam la ko neex it lay def te li xew assemblée nationale ñoom nee nañ ñi ngi koy ñaawlu rafetlu wuñ ko benn yoon lu dul lu leen ci naqari amuñu ko ci. ak people nag la ñuy jeexalee suñu raw nëb bi ak kii di Mia Guissé di woykat boobu nga xam ne dafa tàggoo ak jëkkëram ca jamono jile woykat bi nag ñëwaat di wax uh, li mu doon dund ci ay mettit ci biir néegu sëyam bay xam le ni sax ñàkkoon na ci ab doomam bu góor ba nga xam ne affaire boobu daf ko traumatisé woon ñii di ay parent wam itam tolloon na ay jamono yoo xam ne dañu ko bloqué woon daal di koy mere ndax moom kat nee na moom yaa gise dafa dëgëroon bopp ba pare xelu xale moo ko jàppoon loolu moo tax jafe-jafe àdduna yu bari mu daal di ciy jaar lii lañ leen indiloon ci suñu round-up bi mooy li ci gënoon fës di leen jox di daje ci yeneeni émission jëre ngeen jëf 2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de fonds CIFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. Euh, d'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. Deux ans dans le passé, dire de faire à la LONAS en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement à, euh, au programme du présent Macky Sall sur le programme euh, sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place euh, l'année dernière permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comment de dépôt, comment retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, UNBet, Sudubet et euh, BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la reste pionnière dans cette les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONAS. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la Lonaze a payé, a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la Lonaze pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation Lonaze. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise.